le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou tentera de répondre à la question projet de modification de l'hymne national, motivation et enjeu. Le Niger a décidé de changer son hymne national, la nigérienne, pour supprimer une allusion à l'ancien colonisateur français, a annoncé le mois dernier le ministre de la Renaissance culturelle sur Télé Sahel. La mélodie connaîtra aussi une refonte, d'où l'association d'artistes musiciens au comité de ce projet de révision. Les paroles de la Nigérienne, c'est un rappel, ont été écrites par le Français Maurice Albert Thierry en 1961, un an après l'indépendance du Niger en 1960. De nombreux Nigériens critiquent surtout les troisième et quatrième vers Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle, estimant que le mot reconnaissant marque une infiodation à la France. Pour ce faire, nous avons dans ce studio Adamou Ide, écrivain, président de l'association des gens de lettres et membre du comité technique chargé de l'élaboration de l'hymne national. Adamou Ide, bonsoir. Bonsoir. Et Soumana Chamsou, professeur de français au CES ZAM de Niamey. Soumana Chamsou, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord les avis de quelques citoyens interrogés à Niamey. Je pense que ce projet de modification de l'hymne national est la bienvenue. C'est une très bonne chose en ce sens que ça permettra d'extriper de l'ancien texte certaines imperfections comme par exemple le passage où on dit soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle. Notre liberté nouvelle, c'est comme si la France nous a donné gratuitement une liberté et qu'on doit exprimer cette reconnaissance vis-à-vis de la France de nous avoir donné cette liberté. Moi, je pense que c'est des choses que nos arrières ne devons même pas accepter. Je ne sais pas par quel miracle ils ont accepté ça, ou bien c'est pour faire plaisir à la France, mais tout ce qu'il faut dire, c'est que c'est une très bonne chose. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on va changer dans ce qui a été fait là. Sincèrement, l'hymne national, je ne vois aucun problème en ça. Ils veulent faire de l'amalgame. Moi, je suis d'avis à 200% que l'hymne soit changé. Tout celui qui comprend ce qui se dit dans les vers là, nous savons pertinemment que c'est des réalités qui ne sont pas vraiment les nôtres. Il y a des passages comme nous devons être reconnaissants. Mais envers qui Envers des personnes qui nous ont volé ou bien envers des personnes qui sont en train de nous manipuler comme des galettes Moi, personnellement, je ne suis pas d'avis ils devaient normalement d'abord avancer les preuves. Selon eux, qu'est-ce qu'il manque dans l'hymne national actuel que eux ils pensent à ajouter C'est une hymne qui a été faite depuis longtemps. Donc euh, maintenant nous sommes au 21e siècle. C'est bien normal qu'on change ça pour voir les directives à entreprendre. Moi je pense que vraiment c'est une bonne idée parce que d'après quand même les experts, donc euh, vraiment ce n'est pas conforme quand même à, l'indépendance de notre pays. Donc euh, vraiment à mon avis, si on change vraiment l'hymne national du Niger, euh, vraiment c'est une bonne idée. Ça, prouve tout simplement, c'est vraiment aussi euh, une renaissance culturelle. Reste à savoir si euh, les autres concitoyens aussi seront d'accord. Parce que sûrement, il y en a toujours qui vont apporter des critiques par rapport à ça. Donc l'essentiel qu'on ait vraiment l'hymne national qui cadre parfaitement avec le développement économique de notre pays. Adamou Idé, vous venez là d'écouter les avis de quelques citoyens interrogés à Niamey. Quel est votre commentaire Bien, tous les commentaires que nous venons de suivre euh, montre l'intérêt <coughs> que suscite ce projet pour réfléchir sur l'hymne national actuel de la Nigérienne et puis proposer, le cas échéant, un nouvel hymne. Je dis bien le cas échéant parce qu'il s'agit d'une réflexion à mener autour de cet hymne et proposer euh, peut-être une, une nouvelle mélodie, de nouvelles paroles. Et aussi, c'est une possibilité ouverte, modifier certains passages de l'hymne actuel et le conserver tel quel. Donc les options sont ouvertes. Ce n'est pas nécessairement un changement, ça dépend de l'évolution du travail que nous avons à faire. Alors j'aimerais quand même préciser un certain nombre de choses et dire d'abord que le changement d'un hymne dans un pays est tout à fait naturel. Le Niger n'est pas le premier. Même la France a connu plusieurs hymnes après la Marseillaise et est revenue ensuite sur la Marseillaise. Je prends le cas du Bénin qui a changé également un hymne après la révolution populaire de Kérékou. Il y a également le cas du Congo. Donc, ce n'est pas un cas, disons, euh, exceptionnel. Hein. donc, c'est tout à fait naturel qu'à un certain moment, le pays réfléchisse sur euh, cet attribut essentiel de souveraineté et l'adapte aux circonstances et au contexte du moment. Le n'est pas isolé dans le monde. Vous faites partie euh, du comité de l'élaboration de cet hymne national. Quelle est la composition euh, de, ce comité Oui, euh, je voulais juste aussi préciser que l'hymne actuel mhm. date en vérité de 1960. J'ai entendu 1961. Le texte a été publié pour la première fois le 24 mai 1960, à l'issue d'une sélection organisée par les autorités de l'époque par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, présidée par le député Noma Kaka. Donc il y a eu des textes qui ont été proposés. Un a été choisi, celui de Maurice Thierry, et c'est cela que les députés ont adopté. Donc euh, ce texte a été publié pour la première fois le 24 mai 60, mais l'hymne actuel est officialisé euh, par euh, la loi numéro 61-20 du 12 juillet 1960. Voilà pour les précisions sur l'hymne. Maintenant, pour le comité euh, dont vous avez parlé, il y a un arrêté du Premier ministre euh, que j'ai ici. Euh, je peux vous donner la teneur pour que les gens soient vraiment rassurés par la composition. C'est l'arrêté numéro 135 PM du 13 septembre 2019. Dans cet arrêté, il y a le Comité national d'orientation, chargé de l'élaboration d'un projet d'hymne national. Ce comité comprend euh, des membres du gouvernement et présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, avec comme premier vice-président le ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, deuxième vice-président le ministre de la Justice, garde un rapporteur général, M. Abdraman Haruna, qui est directeur de cabinet du ministre de la Renaissance, et le directeur général de la Renaissance, M. Dandi Adam. Il y a d'autres membres, tels que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses, le ministre de la Défense nationale, le ministre du Plan, M. Oumaria Maman, M. Guéron Amadou. Ils sont tous conseillers au cabinet du Premier ministre. Madame Garba Mariama Sabou, qui représente l'Assemblée nationale. M. Moussa Harou, secrétaire général du ministère de la Renaissance culturelle. Amidou Moumouni, coordonnateur de la cellule normalisation des armoiries et des sceaux au ministère de la Justice. Hassan Seydou, directeur de l'enseignement du cycle primaire classique. À ce comité, et et adjoint, si je peux dire, un groupe de sphères qui est composé de personnalités un peu rompues, si je peux dire, entre guillemets, euh, dans le domaine de l'écriture, de la chanson, de la mélodie, donc des artistes, des écrivains, des enseignants. Et ce comité, ce groupe d'experts comprend M. Omar Hadari, que tout le monde connaît, M. Elbak Adam, qui est enseignant-chercheur à l'université, M. Cheibou Maman, qui est écrivain. M. Cheibou Daina, qui est professeur, euh, enseignant-chercheur à l'université. M. Narwa Badoché, qui est auteur-compositeur. Madame Ali Soumana Aïchatou, qui n'est pas présentée également, chanteuse émérite du Niger. M. Maman Sani Abdoulaye. M. Meidale Amadou, qui est professeur. Et moi-même, voilà la composition des membres de ce groupe d'experts. Adam pourquoi changer ou réviser l'hymne national du Niger, la nigérienne, seulement maintenant Comme je le disais à, l'entente de mon propos, ce n'est pas euh, exceptionnel un changement d'hymne. Euh, après 60 ans, il faut voir euh, que le contexte culturel, social, économique du pays a changé. Et euh, il faut adapter donc les paroles de cet hymne à ce contexte-là. L'hymne, c'est euh, une mélodie, un chant patriotique qui dit les vertus d'un peuple, hein, son vouloir être, sa façon d'être au monde et sa façon de communiquer avec les autres parties du monde, les autres peuples du monde. C'est ça l'hymne national. Donc, si dans cet hymne-là, nous avons vu quelque chose qui ne correspond pas à notre euh, vécu, et à, notre culture, à l'évolution de nos mentalités. Il est tout à fait normal qu'on change pour l'adapter au contexte du moment. Donc ce sont là les motivations. Oui, ce sont là les motivations. Ce n'est pas du tout pour euh, changer pour changer ou bien euh, s'énerver entre guillemets sur telle ou telle parole. Ce n'est pas du tout ça. Soumana Chamsou, quelles peuvent être les conséquences pouvant découler de la révision de l'hymne national Est-ce qu'il y a des conséquences hmm, Bonjour. Euh, parler des conséquences de la révision, les conséquences, euh, chaque acte a des conséquences qui sont souvent négatives, souvent positives. Une conséquence n'est pas forcément négative. Euh, le président Adam Idé a eu à le dire, c'est pour des raisons précise que le gouvernement a décidé de changer l'hymne. Euh, je vois ce changement, à mon avis personnel, ce changement cadre avec les objectifs définis par le gouvernement. Mais comme conséquence pour moi, c'est que en réalité, ce n'est pas l'hymne euh, comme une mélodie chantée euh, solennellement qui va changer quelque chose dans l'évolution de ce pays. Euh, aujourd'hui, quand on regarde combien de Nigériens savent chanter même ce thème-là que nous avons, la conséquence, c'est que l'hymne devait nous amener à changer de mentalité. Ce n'est pas la mélodie, c'est pas Donc c'est un fruit de la renaissance culturelle. Oui, bon, je considère que c'est un changement pour changer, mais il faut partir à la base d'abord. La base, c'est quoi C'est l'école. C'est-à-dire, il faut amener les gens à comprendre l'importance de l'hymne. Aujourd'hui, en dehors des grandes, euh, écoles, euh, les centres-villes, on, rentre dans les villages, les gens ne savent même pas c'est quoi, c'est quoi l'hymne et comment chanter l'hymne. Donc, euh, c'est tout un travail à la base qu'il va falloir faire. donc conséquence première pour moi, c'est ça doit, je, le vois venir, euh, le changement de l'hymne, je vois de l'enthousiasme chez la population intellectuelle, c'est-à-dire pas ceux qui ne savent même pas. C'est déjà bien. Ce débat ouvert autour du changement est déjà bien. Moi, je trouve sa première conséquence positive, le fait que les gens s'intéressent à ce changement. Alors que pendant euh, plus de 60, ans, 1960 euh, aujourd'hui, ça fait 60 ans, nous sommes en train de chanter le même hymne les gens n'ont pas vu un problème. Si aujourd'hui les gens ont vu un problème, ça sous-entend qu'il y a un engouement qui est là, il y a un travail à fond qu'on devait faire euh, pour que tout le monde euh, se retrouve. La deuxième conséquence, c'est qu'il euh, il y a un problème. Nous sommes une nation. L'hymne doit être consensuel. Il ne s'agit pas seulement de changer, mais peut-être changeons pour qu'il y ait un consensus. Si l'hymne créé n'est pas consensuel. Souvent, c'est un problème sérieux. Euh, vous venez là d'écouter la composition du comité euh, chargé euh, de l'élaboration de l'hymne national. Est-ce que, selon vous, ce comité est consensuel Non, je, connais la plupart des membres du comité technique parce que certains m'ont enseigné, d'autres, j'ai travaillé avec eux. Ce sont des experts nationaux reconnus dans le domaine de l'écriture dans le domaine de l'art. C'est pas ça le problème. Souvent, euh, ce n'est pas le véritable problème au Niger, ce n'est pas le comité technique, c'est le comité politique qui cause problème. Nous avons vu le problème de, seulement de, logo de, Ça a été un problème sérieux. Moi, je suis de Tilabéry, je n'étais pas content, sincèrement. Ça veut dire que souvent, ce n'est pas un comité technique qui cause problème, c'est le comité politique cause problème. Et souvent, au lieu d'amener euh, la paix, ça amène souvent des problèmes, des frustrations, et c'est des graines de soulèvement souvent. Donc, euh, la conséquence, pour le moment, on n'a pas vu, mais on, euh, souhaiterait que l'hymne proposé soit consensuel. Comment faire pour amener les Nigériens à adhérer à l'hymne qui sera proposé pour que le Nigériens adhère il faut que tout le monde se sente concerné. Il faut que ça, euh, comment dirais-je ça, un rapport avec la nation, pas un groupe, pas un groupe, mais la nation entière. Nous sommes une nation. Dans une nation, il y a plusieurs, euh, comment dirais-je, groupes. Composantes. Hein, oui, donc chaque groupe doit se sentir hein, concerné par ce thème. Mais lorsque le l'hymne est fait pour parler de certaines valeurs et que d'autres ne se retrouvent pas dans ces valeurs-là, il y a un problème sérieux. Soumana Chamsou, euh, le travail de ce comité prendra euh, certainement euh, du temps, surtout des contributions citoyennes sont attendues. Avez-vous une idée de ce projet qui va coûter en termes d'énergie, de temps, etc. Je n'ai aucune idée du temps que ça peut prendre. Ça, c'est un travail de technicien. Mais ce que moi, je pense, il se peut que ces, ces, grands experts, ce comité technique, puissent faire appel à l'ensemble des fils du pays par des organisations de concours. À partir de ces concours, on va voir chaque le citoyen lambda a donné son avis et à partir de là, on peut prendre des textes et peut-être voir avec les auteurs comment euh, améliorer euh, ces éléments. Mais souvent, si le comité technique se met dans sa salle pour faire comme on fait dans la Constitution, souvent c'est c'est ça le véritable problème. Euh, chaque fois, la Constitution est rédigée par un groupe d'experts qui on nous soumet cela, que ça soit bien ou non, on vient, on le défend et on nous gère avec ça c'est pas une constitution, c'est pas comme ça. Donc si on fait l'hymne de la même manière, on confie à 10, euh, ou, ou 20 personnes parmi 20 millions de personnes, on dit c'est eux qui vont euh, proposer à la nation, souvent ça c'est pas consensuel. Voilà le véritable problème Sman Chamsou, vous êtes enseignant. Quels sont les passages que vous souhaiterez euh, qu'on retouche Moi, j'ai entendu, comme vous l'avez dit, le ministre parler de ces passages. Non, pour moi, s'il faut changer, il faut changer le texte entier. C'est un droit d'auteur. C'est-à-dire, souvent, quand vous écrivez votre texte, vous êtes l'auteur, c'est vous seul qui pouvez changer votre texte. Si on veut changer, il n'y a pas de passage à changer. Si l'auteur est vivant, on le revoit, c'est lui qui décide de changer les passages. S'il n'est pas vivant, il y a les ayants droit qui peuvent donner leur avis pour qu'on change ces passages. Mais si non, on doit changer on doit laisser ce thème et prendre un hymne venant des nationaux. Voilà ce que je pense. Mais il n'y a pas un passage qui me gêne, parce que pour moi, euh, nous l'avons euh, vécu pendant 60 euh, ans. On était à l'école primaire, nous l'avons chanté. Nous entendons chaque matin les élèves chanter. moi, je ne trouve pas un problème parce que moi, je l'ai dit, ce n'est pas l'hymne qui fait. l'hymne, c'est comme nous, un chant qui, de louanges qui nous donne la motivation pour le travail. Mais en réalité, l'hymne aujourd'hui, euh, on n'enseigne pas la valeur d'un hymne national. Euh, en notre temps, nous avons toujours, euh, moi j'ai d'abord fait l'école primaire au village, quand on chante l'hymne, les gens sont obligés de se taire. Aujourd'hui, nous chantons. Il y a un groupe d'élèves qui chantent au niveau du drapeau. Il y a d'autres qui sont au niveau des, bâtiments en train de rire, de chanter, de, comme si ça ne les concerne pas. Avant, même si c'est un passant, on l'oblige, le maître l'oblige à s'arrêter parce qu'on est en train de chanter l'hymne. Aujourd'hui, même à l'école, à l'école, le matin, on fait monter le drapeau. Les élèves considèrent que ça ne les regarde pas c'est les gens, on prend un groupe euh, d'élèves qui doivent chanter. L'hymne, Ce groupe-là, ça s'arrête là. Les autres, chacun va à ses occupations comme si ce n'est rien. Donc ce n'est pas euh, un passage qui gêne. C'est c'est quoi l'hymne C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut d'abord apprendre aux gens, à comprendre la valeur de l'hymne. comment expliquer ce désintéressement des citoyens par rapport à l'hymne, le drapeau, les symboles et autres attributs de la République C'est la politisation de l'école tout est arrivé là. Depuis que les gens, aujourd'hui, on nomme un proseur parce qu'il est d'un parti politique, on nomme le surveillant parce qu'il est d'un parti politique, euh, on, nomme le censeur parce qu'il est d'un parti politique. Donc ça veut dire que l'école est devenue politique. Et les autres enseignants, un enseignant, on ne peut pas le forcer à former, hein, parce qu'il doit se sentir à l'aise, en sécurité d'abord pour donner son savoir. Alors, si dans l'école, on ne voit pas euh, les enseignants, c'est-à-dire les grands acteurs, de l'éducation ne voient pas euh, un engouement, euh, une motivation à faire leur travail. Ils sont toujours harcelés par des politiciens et des incompétents le plus souvent. Ce qui fait que l'école, aujourd'hui, il y a une sorte de dévalorisation du statut de l'enseignant. Ce qui fait que l'enseignant laisse les élèves faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, quand l'élève, le surveillant tape un élève, on l'enferme. C'est ça le problème politique un, surveillant qui a pour rôle d'amener les élèves à respecter. C'est aussi une éducation. C'est aussi voilà, une éducation. Mais, aujourd'hui, on, l'enferme. Ça, c'est clair. Il sera arrêté. Donc, il va laisser les élèves faire ce qu'ils vont. Et on va voir, je dis, vous pouvez prendre vos caméras, vous rentrez à 7h55. C'est 7h57, on fait euh, la montée du drapeau. Vous allez voir dans toutes les écoles un petit groupe autour du drapeau chanter l'hymne les autres sont en train de vaquer à leur occupation. C'est pour ça que je dis il n'y a pas un passage qui gêne dans le LIM, mais il y a un problème de comportement, de, un problème de mentalité. On ne change pas LIM pour que le Niger se développe. On doit changer les mentalités des gens et ça se fait à l'école d'abord. On doit donner de la valeur à Lim, hein, qu'il soit le, le présent ou le nouveau. Peu importe amener les, citoyens à comprendre la valeur de l'hymne dans leur esprit. C'est ça qu'il faut faire. Adam comment amener les citoyens nigériens à respecter les attributs, les symboles de l'État Oui, euh, il a raison sur certains plans et je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que le problème est d'abord d'ordre civique. C'est-à-dire que le, citoyen doit se reconnaître et être à l'aise dans sa nation à travers les attributs de, cette nation. Ces attributs, vous l'avez rappelé, c'est le drapeau, l'hymne, la devise de la nation, les armoiries de la nation. C'est par là que la souveraineté de l'État se manifeste et il faut que les, nationaux euh, comprennent exactement ce que veut dire l'hymne national, ce que veut dire la devise nationale, fraternité, travail, progrès. Est-ce que nous nous sentons à l'aise à travers ces mots Très forts fraternité, travail, progrès. Est-ce que nous nous sentons à l'aise lorsqu'on chante l'hymne Il vient de décrire une situation qui est embarrassante, sinon révoltante, à savoir que personne, dès le bas âge, ne respecte même pas l'hymne qu'on chante, ni la levée de drapeau. C'est extrêmement inquiétant. C'est pourquoi euh, nous, au comité, nous avons d'abord commencé par identifier quelles sont les valeurs prônées par l'hymne actuel des valeurs qui sont positives et celles qui sont négatives. On a analysé tout cela. Nous avons vu par exemple que on prône la paix, on prône l'unité nationale, puisque l'une s'appelle la nigérienne. Rappelez-vous, euh, en Côte d'Ivoire, c'est l'abidjanaise. Donc, nous, il y a quand même ce souci d'unité nationale. Hein. Il y a d'autres valeurs, la fraternité, euh, la résilience, debout Niger debout. Donc, ce n'est pas seulement euh, cet aspect-là qu'il faut voir. Donc, ce sont là des meilleures parties de l'hymne national. Oui, nous n'avons pas fait un travail, euh, je dirais, de destruction. On a fait un travail pour voir quels sont les côtés positifs, quels sont les côtés négatifs, y compris même dans la mélodie. les spécialistes sont là pour ça, pour donner des détails. Donc, c'est dans le souci, effectivement, de prôner les valeurs qu'il faut pour le peuple nigérien aujourd'hui et cela doit être enseigné dès le bas âge. Valeur de fraternité, <coughs> valeur de solidarité, valeur d'unité nationale, de fraternité, de progrès. Et il y a d'autres valeurs qui nous freinent, telles que l'ethno-régionalisme et d'autres valeurs dont il a parlé un peu. Bon, c'est tout cela qu'il faut avoir à l'esprit pour que le citoyen soit formé dès le bas âge. Et ça, j'insiste dessus, il a raison, c'est un enseignant. Euh, c'est dès le bas âge qu'il faut commencer à aimer son pays. Dès le bas. Sinon, je crois qu'on va faire des citoyens qui n'ont aucun rapport, ou qui ne voient même pas la nécessité de travailler pour leur pays. Hein, vous voyez, dans certains États, euh, lorsqu'on fait euh, une cérémonie qui touche l'ensemble du pays, comment il y a une discipline, comment on respecte euh, la République et, et la nation. Il faut que cela soit fait ici. Le drapeau, ça a un sens. La devise a un sens. L'hymne a un sens. Et il faut qu'on se reconnaisse dans cet hymne-là. Et le caractère consensuel dont il a parlé, euh, effectivement, c'est notre souci au niveau du comité technique. Et avec l'approbation du comité euh, d'orientation nationale, euh, c'est d'approcher les populations. Il y a même un communiqué qui est tombé hier dans ce sens. Ce communiqué dit un peu la manière dont il faut participer. C'est une contribution volontaire, je dirais gratuite, parce que c'est un, c'est par là que ça commence faire quelque chose pour son pays et ne pas s'attendre à ce que le pays fasse quelque chose pour vous. Donc, hein? donc si moi je décide de contribuer, comment faire Bien, euh, l'appel à contribution a été explicite. Nous avons euh, dit les, adresses où il faut communiquer les, chaque contribution. Euh, c'est au niveau du ministère. Il y a, de la Renaissance culturelle. La Renaissance culturelle, il y a une, une, boîte postale également. Il y a, on a ouvert également un courrier email. Donc c'est par là qu'il faut s'adresser. Et je profite de l'occasion pour mm. dire que nous avons entendu auparavant certaines informations qui disent qu'il y a eu un hymne officiel qui a été adopté. C'est tout à fait faux. Euh, je le dis ici en toute tranquillité. Euh, c'est tout à fait faux. Pour le moment, nous sommes au stade de lancement du travail. Donc il n'y a pas eu un hymne officiel qui a été adopté par le comité. Euh, l'appel à contribution vise justement à informer l'ensemble des citoyens sur la possibilité qu'ils ont de, travailler à l'élaboration de cet hymne en toute tranquillité, en toute liberté. Voilà, voilà ce que nous pouvons faire. Et également des, des sorties, d'explications et d'échanges à travers toutes les populations dans toutes les régions pour recueillir l'assentiment, enfin recueillir le ressenti des peuples par rapport à cette démarche-là. Madame est-ce que ce comité a des difficultés Bon, pour le moment, nous n'avons pas enregistré de difficultés. Hein. Nous sommes euh, au premier jour de travail. Hein. On, est à la phase d'organisation. La première phase consistait à analyser euh, l'hymne actuel, à faire des propositions, à faire un chronogramme de travail. L'appel à contribution est maintenant lancé et nous attendons que chacun puisse apporter euh, son grain dans le travail qui est attendu de tous. Ça prendra à peu près combien de temps Oh bon, dans ce genre de travail, il est difficile de, limiter euh, une date butoir comme ça. Hein. Nous travaillons avec vraiment le rythme auquel nous recevons les, contributions. Mais on a quand même un deadline pour un travail euh, vraiment efficient. Madame Ouide, vous avez écouté les réactions de quelques citoyens interrogés à Niamey. Quelles sont euh, concrètement les attentes de ces citoyens nigériens au sujet euh, de ce projet Oui, je, voudrais dire ici qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Certains disent que l'hymne n'arrange rien, c'est pas ça le problème. Il y a d'autres problèmes plus importants. Bien sûr, on sait qu'il y a d'autres problèmes plus importants. Euh, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes de sécurité, puis de difficultés de vivre. Bon, euh, l'hymne n'entend pas régler, c'est pas l'objectif de l'hymne. L'hymne, c'est la carte d'identité du pays, comment nous vivons, comment nous sentons notre être en tant que Nigériens et quel message nous adressons aux autres peuples du monde. Message de paix, de fraternité, de, de, travail en commun pour euh, l'humanité. Voilà, voilà un peu, ce n'est pas pour résoudre des problèmes de famine ou autre chose. Euh, il ne faut, faut pas faire de l'amalgame. Et surtout, il ne faut pas avoir un esprit un peu partisan. Ça, j'insiste là-dessus. Soumana Chamsou, on voulait un hymne fédérateur, galvaniseur, euh, pour que quand on l'écoute, la fibre patriotique euh, vibre et que chacun se sente attaché aux valeurs de la nation, a expliqué le ministre de la Renaissance culturelle. Peut-on sincèrement avoir un hymne euh, pouvant fédérer toutes les énergies de ce Niger euh, oui, possible. Mais fédérateur, euh, qu'est-ce qu'on entend par fédérateur Moi, je vois, quand on va dans le sens d'un hymne fédérateur, on risque de ne pas atteindre l'objectif. Parce que qu'est-ce que nous entendons par fédération euh, Qui réunit les Nigériens oh, Non, qui prend d'abord les groupes à part. Voilà, c'est ça. Oh, et on les met ensemble. Voilà, ça dire que prendre les groupes à part et les remettre ensemble. Non, moi je pense qu'on devait parler d'un hymne, pas fédérateur, mais consensuel. consensuel. Le mot fédération, c'est ça le véritable problème du Niger. C'est que les gens, sans le dire, nous sommes comme dans un fédéralisme. Chaque groupe veut vivre à part avec ses valeurs. Et je pense que ce n'est pas ça une nation. La nation doit avoir des valeurs communes sur lesquelles nous sommes tous d'accord sans que quelqu'un se sente étranger. Mais tant que chacun pense que voilà mes valeurs, et c'est les autres voilà leurs valeurs, l'union, c'est difficile. Alors je n'aime pas, moi, je ne sais pas, c'est parce que je suis enseignant, j'aime pas le mot fédérateur. J'ai jamais aimé le mot fédérateur. Moi, je, je ah, partage, je partage tout à fait. Oh, euh, donc, ça vous couper la parole, hein, vous pouvez finir. Mais allez-y, allez-y. J'aimerais vraiment appuyer ce qu'il vient de dire, mm. Mm. parce que le mot fédérateur a beaucoup de sens. Oh, Et souvent, les gens l'emploient dans le sens négatif. Oui, c'est même négatif. Hein. C'est Ça veut dire partager d'abord, réunir oh, après. Non, donc, euh, donc, le mot galvaniseur. <laughs> plutôt, euh, plutôt, Consensuel, oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit euh, moi, je n'aime pas le mot fédérateur. Je suis très prudent par rapport au mot. Donc, c'est pour cela, je, je vais dire, alors je continue pour répondre à la question, mhm. que oui, on peut trouver un hymne consensuel, un hymne où tout, euh, euh, tout le peuple uni comme un seul homme peut se retrouver. Nous sommes la seule nation où il n'y a pas eu de guerre civile entre nous. Nous sommes la seule nation où les gens partagent par l'islam nous sommes unis par les mêmes valeurs. Alors, en regardant certaines valeurs communes qui ne sont pas axées sur les particularités, les particularismes de quelques-uns, non, on peut arriver à trouver le consensuel. Et le consensuel, c'est quoi Toute l'humanité, tous les peuples se retrouvent dans certaines valeurs, comme l'honneur, comme la liberté, comme le courage, comme l'intégrité, le patriotisme. Oh, voilà, donc il y a un certain nombre de valeurs, ce ne sont pas des cultures propres à un peuple qu'il faut prendre, mais il y a des valeurs qui sont forcément ancrées dans l'esprit de chaque humain, qu'il soit nigérien, qu'il soit ailleurs. C'est cela le consensuel. On peut les avoir, c'est très facile d'avoir euh, des notions qui nous rapprochent et qui seront forcément l'unité, les voix de l'unité et du Mais je, je l'ai dit, moi je, suis, je pense qu'il faut aussi accompagner les paroles d'une mélodie tellement développée. Je mets l'accent sur la mélodie. C'est-à-dire, notre problème, vous savez, moi par exemple, je suis poète. Je peux écrire un texte, mais le texte peut ne pas avoir la mélodie conforme. Souvent, les gens, par exemple, parce qu'ils proposent un texte ayant de belles paroles, pensent que leur texte doit être le meilleur à choisir, mais on ne l'a pas choisi. Il y a l'écriture et en même temps, il y a la mélodie. Donc, le président a parlé de, de certains membres du comité qui ont le talent pour nous apporter une mélodie consensuelle aussi. La mélodie, elle devait autre, aussi être euh, locale. Vraiment, on doit sentir la euh, nigérité. voilà, la nigérité dans la mélodie. On doit sentir. Aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui en Afrique, le Mali, quand on prend une mélodie, une musique, on sait que ça c'est fond. Exactement, on ça, ça c'est faux. Forcément, on va dire ça, c'est le Mali. Même donc c'est comme ça. On doit faire en sorte que l'hymne soit accompagné, les paroles soient accompagnées d'une mélodie consensuelle aussi. Vous faites allusion au godier le, godier, <laughs> forcément, le godier n'est pas euh, lié à tout. Ou bien le Kalangou, les Tantam. En tout cas, il y a plusieurs. On peut le. il y a des experts qui savent. Par exemple, il y a des gens qui ont fait la culture, art et culture. Euh, j'ai mon professeur Inna euh, qui m'a enseigné art et culture à, hein, à l'université de Niamey. Donc, ça veut dire qu'il sait quel est l'instrument de musique que le peuple, c'est-à-dire toutes les ethnies du Niger peuvent se retrouver dedans. C'est consensuel. C'est-à-dire, on ne va pas prendre, moi je suis Sora, je veux prendre pour moi, lui là c'est un Kanouri, il va prendre ceci, lui là c'est un gourmandier, il veut que euh, son instrument vienne. Vous voyez, là c'est ça le problème de consensuel dont je parle. Il y a un instrument qui peut être consensuel. Il faut choisir c'est ça le consensuel dont je parle. Soumana Chamsou, quels sont les autres symboles ou attributs de l'État susceptibles d'être modifiés ou changés selon vous Moi, je ne suis pas un partisan de changement. C'est ça mon problème. C'est pour ça que j'ai dit, même ici par rapport à l'hymne, moi, je, personnellement, j'ai dit, moi, ce qu'il me faut, les changements, ce n'est pas des textes, ce ne sont pas de la, des notes musicales. Moi, mon changement, c'est la mentalité des gens, c'est l'éducation. S'il y a à changer, changer notre programme d'enseignement, c'est-à-dire ce que nous enseignons aujourd'hui n'est pas conforme à ce que nous voulons que nos fonctionnaires deviennent. Alors, sincèrement, changeons le programme du, du CI jusqu'à l'université. Il faut changer. Aujourd'hui, je veux vous dire, euh, on parle de, d'évaluer les enseignants, des gens qui ont, le DA, qui ont maîtrise, qui ont licence, on leur dit qu'ils ne, ne, savent pas enseigner. On va les évaluer. Ça veut dire que c'est un problème. Un problème très, très, très sérieux. Mais qu'est-ce qu'on veut que ces gens enseignent C'est parce que l'État a compris que le produit de l'école ne sert à rien dans les bureaux. Voilà le problème. L'État a compris que nous formons des gens qui, on les place dans un ce n'est pas un régime qu'il faut voir, c'est-à-dire c'est l'évolution de l'école comme ça. Il faut arrêter pour changer. S'il faut changer, moi je dis il faut changer nos programmes que nous enseignons. Il faut changer l'école primaire pour voir à partir de quel âge l'élève doit apprendre ceci. Et quand il sort de l'école, il a au moins un outil lui permettant de travailler. C'est ça. Aujourd'hui, l'école, on a fait une réforme qui ne sert à rien. On a demandé à ce qu'il y ait une seule descente. C'est des syndicalistes qui avaient lutté pour ça, pour leur propre compte. Ça ne sert à rien dans l'école. les pays dans lesquels on faisait une seule descente, on a créé des centres où quand l'élève descend, il est capable. Aujourd'hui, un élève du 6e, 5e, 4e, s'il descend à partir de 13h30, il n'a rien à faire jusqu'à demain. Il va être un délinquant. Qu'est-ce qu'il va faire Il va rester prendre du thé Non. On devait créer des centres où, quand l'élève sort de l'école, à partir de midi, le soir, il doit faire un travail. Là, même si l'école ne mange pas, peut-être lui-même, il va voir. la formation technique. Ah, c'est clair. C'est-à-dire, sincèrement, on, forme l'intellect. On veut que nous, connaissions le développement scientifique, le progrès scientifique, nous, maîtrisons les outils informatiques, on nous fait mathématiques, on va aller à l'université, on ne sait pas comment l'utiliser, on nous fait physique, mais tout cela, il faut nous apprendre. C'est que quand on sort dans la vie active, on est capable de faire directement, de savoir que je peux utiliser ce que j'ai acquis à l'école. Mais l'élève qui sort de terminal aujourd'hui, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'État Rien. Si ce n'est pas écrire, il a appris à lire, à écrire. Maintenant, on lui confie un travail. Qu'est-ce qu'il va utiliser en matière d'outils d'acquis dans sa formation lui permettant de travailler Voilà le problème. Donc, c'est là où il faut repenser le système d'enseignement au Niger. Le programme. Adam Ouidé, vous avez quelque chose à ajouter oui, vous voyez où est-ce que ce débat nous amène. Hein? C'est un débat qui est parti sur l'hymne national, et qui aboutit à la réforme du, de notre système, d'enseignement. Euh, il y a quand même euh, beaucoup de liens dans ce, que, ce qui est en train d'être dit. Parce que euh, la semence doit mûrir à partir du cru du terroir. Hein? Ce cru du terroir sont les valeurs de nos sociétés ensemble. malgré les différences qu'il y a, la diversité culturelle des peuples nigériens, il y a des éléments d'unité importants qui nous unissent ici, euh, toutes ethnies confondues. Il y a des valeurs qui nous, qui nous rassemblent et que nous reconnaissons partout, d'est en ouest, du nord au sud. Il a révélé ici que euh, c'est un constat, on nous envie cela, la paix civile, elle est là au, Niger. Donc ce n'est pas comme dans les autres pays. Nous partageons des valeurs de civilisation communes, qu'on peut partager. Maintenant, euh, ceux qui disent sur l'école, euh, bon, ça fait très longtemps qu'on parle de réforme du système. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça, date des années 70. Jusqu'ici, on n'est pas arrivé à, à avoir l'école qu'il nous faut, qui produit donc des hommes et des femmes capables tout de suite de se mettre au travail utile pour le pays. Bon, ça c'est un autre débat, je pense que vous pourrez faire ce débat plus tard. Adam Ouide, pour vous, quelles sont les recommandations, vos conseils euh, pour l'élaboration d'un hymne consensuel rassembleur et qui répond aux aspirations des Nigériens euh, bien, merci beaucoup. J'aimerais euh, beaucoup insister sur l'appel à contribution qui vient d'être diffusé. Cet appel euh, sollicite vraiment l'adhésion des Nigériens intéressés. Dieu seul sait que depuis la, communication du ministre, il y a eu beaucoup de, beaucoup de contributions qui ont été reçues. Mais l'appel va encourager davantage ceux qui, ceux qui restent pour euh, apporter leur, euh, leur contribution effectivement à, ce projet. Donc nous attendons d'eux vraiment une approche franche, sincère, de contribution vraiment pour l'amour du pays, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'unité, de fraternité, de, nous rassembler autour euh, de, valeurs communes qui nous galvanisent et qui nous permettent de résister aux chocs naturels ou autres. Soumana Chamsou, quels sont vos conseils, recommandations pour l'élaboration d'un hymne consensuel, rassembleur et qui répond aux aspirations des Nigériens euh, Le président l'a dit, c'est déjà tout dit. C'est que, de le début, c'est sur ça nous avons mis l'accent. Euh, le consensuel, ça doit venir à la base. Et comme le ministre a fait le communiqué pour les contributions, c'est comme s'il a tendu la main à tous les citoyens. À toutes les couches. À toutes les couches. Tout celui qui sent qu'il est capable de faire, s'il ne l'a pas fait, demain, il ne va pas se dire je ne suis pas informé, informé je ne suis pas euh, pris en compte. Donc tous les citoyens sont déjà mis oui. qu'à l'extérieur. Donc c'est ça, ça sous-entend, tant que tu es nigérien, à travers ce message, c'est une façon de dire que vous êtes tous invités au plat. Celui qui ne vient pas manger, il ne va pas à la fin se plaindre pour dire que non, la sauce n'était pas bonne. Non, c'est celui qui ne vient pas travailler, pas manger. Manger. <laughs> non, manger aussi. Pour beaucoup de Nigériens, la Nigérienne, dans son format actuel, ne répond plus aux aspirations du peuple nigérien. Le comité chargé de cette réflexion est composé des membres du gouvernement et des experts rompus dans l'écriture et de la composition musicale qui se sont engagés à déposer les résultats de leur réflexion dans un délai euh, raisonnable. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Adamou Ide, écrivain, président de l'association des gens de lettres et membre du comité technique chargé de l'élaboration de l'hymne national et Soumana Chamsou, professeur de français au CES Zam de Niamey. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.